Le livre doit être le meilleur de mes compagnons. Je n'ai besoin pour toute ma vie, c'est-à-dire du berceau à la tombe, pour me distraire, me former et apprendre auprès de tous les hommes de toutes les cultures de la terre. Bonjour et bienvenue sur votre émission Tous à la Fada, le magazine hebdomadaire dédié à la jeunesse nigérienne. Nous sommes samedi, et qui dit samedi dit émission Franco Aoussa, Rabia Mekano, Amin Yau fada cette semaine beaucoup parmi nos amis de la fada se trouvent en congé dit l'occasion de se ressourcer et recharger les batteries après un trimestre scolaire assez intense dans ce contexte les plus endurants continuent de solliciter leur cerveau par la lecture notamment Passe-temps pour certains, source du savoir pour d'autres, la lecture intéresse les scolaires et les étudiants car dans leur programme annuel, chaque niveau est soumis à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages dits de référence pour les recherches et des exposés notamment. Quel type de lecture pour les jeunes Pour quels résultats sur leur étude Nous résumerons ces questions dans le thème de la première partie de l'émission. Tout ça la fala, aujourd'hui. Place et impact de la lecture en milieu jeune. Ce sera notre sujet à discuter avec nos invités du jour. Chers auditeurs, vous pouvez participer à nos discussions en réagissant sur le thème du jour par vocal au 80 06 88 54. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en envoyant jaune au 80 06 88 54. Tous à la FADA, première partie ponctuée d'échanges de musique, de chroniques hebdomadaires jeunes. Nous allons être submergés dans quelques secondes pour 35 minutes dans le monde des livres de la lecture. Localisation géographique. Muna ina story. Ina nemuche. Ga gadafawa yantala. Rampo gadafawa yantala. Place et impact de la lecture en milieu jeune. C'est notre thème sur le premier angle de l'émission Tous à la Fada. Nous le décortiquerons avec nos invités. Monsieur Hamage Issa, il est enseignant il enseigne la philosophie. Nous sommes aussi avec euh, Amadou Ibrahim. Amadou Ibrahim, on le reçoit sur cette émission en tant que jeune lecteur. est jeune d'ailleurs, Amfani de lecture alhamdulillah ça va très bien je suis aussi avec un autre jeune un encadreur un enseignant il répond au nom de Isufu Aruna Saïdou Issoufou comment tu vas je vais très bien ça va tu es en forme trop même super tout le monde est OK Kamim Bakumagana l'équipe jeune du studio Kalangu s'est entretenue avec euh, docteur Sido il est écrivain écoutons-le Parler de la question de la lecture en milieu jeune, c'est parler justement d'abord des principes fondamentaux, sinon fondateurs, de la construction de la pensée chez le jeune. Qu'est-ce que j'appelle les principes fondateurs C'est tous ces éléments caractéristiques d'une formation, c'est-à-dire l'acquisition d'une culture générale, l'intérêt pour la réalisation de sa propre personnalité, l'ouverture sur le monde, la construction d'une mentalité ouverte à la fois à la modernité, à la tradition et à la construction du devenir africain, je crois que on ne pourrait pas parler de la formation de la jeunesse sans parler justement de la lecture. Parler de la lecture donc, de l'impact de la lecture en milieu jeune, c'est parler justement de l'intérêt, des avantages que peut apporter une lecture. La lecture, c'est avant tout cette découverte d'un monde. Même s'il est imaginaire, c'est quand même un monde qui est assez proche de la réalité. Du quotidien de chacun de nous, l'œuvre que je vais lire, c'est justement le monde que je vais découvrir. Coco Story. Oui, Dandy. Tu es écrivain. Deux œuvres en principe. Exactement. Disponibles. Des écrits sur euh, les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on appelle déjà cela wanda nake rubuta biskan facebook hmm. shine ake ce ma chronic kuma ana ce mishi ano chronic kuma ana ce mishi ano ko mhm. to an jima kadan za mu samu certainement l'importance na anu da na chronic kin koko barin tambaye ka wani abu comment et par quoi peut-on mesurer actuellement l'engouement de la lecture jeune na yanzu suna lecture kin koko sai a hankali gaskiya jeune yau ba su yin lecture sosai paske in daga kakan da suke magana kana ganewa kuma da kakan da suke aika wasiƙa kana ganewa da akwai matsala ta karatu sosai mm. paske wanda yake karatu in ya turo maka wasiƙa kana ganewa da wanda bai karatu sosai mm. duku niveau D'accord. Nous sommes donc avec un lecteur. Et j'aurais appris dans les coulisses qu'il a beaucoup bénéficié de la lecture. Barry. Oui, Dandy. Tu confirmes ce que je viens de dire, ce que j'ai appris, c'est ça ou bien je me trompe quelque part Je confirme. Tu confirmes La lecture La lecture, je lis beaucoup. Tu es issu d'une famille qui aime beaucoup la lecture. Ah, yes. Ta sœur, elle, elle écrit Elle est écrivaine, Elle est écrivaine, elle, elle répond au nom de Adelbari. Elle est connue dans le monde de l'écriture. Effectivement. Alors explique-moi un peu les avantages de la lecture, mon frère. Parce que tu as beaucoup bénéficié de ça. Effectivement, effectivement. Euh, si je compare euh, ce que j'étais en 2018, début 2018, à ce que je suis aujourd'hui en 2021, mhm. à l'espace de trois ans, je peux me dire que j'ai fait une croissance que beaucoup de gens qui ne lisent pas n'auraient jamais fait, même en 30 ans. Je Je sais pas. Mhm. Ça, c'est moi qui le dis, mais c'est l'impression que j'ai eue. Mhm. Parce que tout simplement, comme l'a dit le grand frère euh, Babs Magaji, mhm. la lecture ouvre l'esprit. On me dit Wahemakai. Et du coup, il y a des questions fait qu'on se pose, auxquelles on cherche des réponses. Et ce qu'on doit savoir, c'est que le monde, il est là, on est au 21e siècle, même si on prend notre que depuis Jésus, il y a des gens qui sont passés avant nous et qui se sont posés ces questions-là. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut se demander aujourd'hui, les gens ont déjà, réfléchi à ça. Mhm. Mais comment est-ce qu'ils nous ont transmis ces réponses-là C'est en écrivant. Mhm. Donc aujourd'hui, une question que tu te poses en 2021, quelqu'un a déjà répondu à ça en 1800, 1800 peut-être. Tu de trouver où est-ce qu'il a mis ça quelque part, tu trouves, tu lis mhm. et tu en bénéficies. Donc euh, je confirme encore ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas comparer celui qui lit et celui qui ne lit pas. Tout simplement. Merci donc pour ces précisions tu m'as en tout cas donné envie de lire. Monsieur Amagé, eh, oui. selon vous, uh-huh. quel rôle, parce que vous êtes encadreur oui. quel rôle joue ou doit jouer la lecture dans le processus scolaire Amfani tafi, ne mu so. Eh, abin da so in ce shi karatun littafi ya kamata le da muke etudiyan ko kuma dalibai na lakwal su gane da shi karatun littahi yana da abubuwa da yawa masu dama masu mahimmanci na harko in kana son yadda bari ne ce abubuwa da yawa yau na duniya suna cikin littattafai mhm. in kana karatu za ka karanto su har kai mu muna cewa ma ɗalibanmu wani bi a cikin kalas mu ce musu eh, kana iya ma ka ƙi zakwa tunda akwai wata lakwal lakwal ne littattafai ne in kana karantawa kana gamuwa da manyan mutane wanda suka zama wasu abubuwa a cikin duniya wanda suka rubuta kana isko wasu abubuwa da yawa in engineering ce in filozofi ce in literature ce in siyasa ce in kokowa ce in tradition ce in kucim ne ko mine ne akwai shi cikin littattafai. kenan ana karantawa kama kana alfahari kana sake rayuwa kana sake kankani. Mhm. shi yasa ya ce da shekara uku shi ya sauya mhm. da ba ya karatu ko bai masar lakwal mai saboda yana karatu ayyaka yanzu ya zamanto ya ɓace cikin karatun littafi mm. kenan karatun littafi yana sa ka ka zama masani karatun littafi yana sa ka samu babbar kilcur general mm. wadda za ta maka permitir ka yi aborde ka zanki hira da kowa da kowa mhm. da mushinukanka da kowa da kowa mm. tana buɗe maka kai tana waye maka kai tana sa ka zamu ilimi mm. kuma ma mutane suna mai da abu kama abu mai wuya ba abu mai wuya ne ba tunda wanda ya dan gane zai iya ganewa da in kana karatu littafi yana sa ka hita da cikin matsaloli da yawa mm. kamar distraction mm-hmm. la lecture tana iya zama maka kamar wani abu ne na distraction mm. lecture tana iya zama maka abu ne wanda in kana yin ta kana jin daɗi saboda sai ka mance ma da kana cikin duniya sai ka shiga cikin wata duniya wata duniya wadda babu matsaloli mm. wata duniya wadda babu abubuwa wanda za su iya jaye maka hankali ko su maido ka cikin wasu matsaloli mm. kenan tana iya ma hana ka shan kwaya tunda wasu wasu in suka sha kwaya don su fita cikin duniya ne su ta wani wuri ah. to ga kwaya ku nan wani ah. kenan ku ta ku zan isha kenan liburka in ku ɗauki liburka kenan eh. sai ku mance don gabu <laughs> kenan liburka ba ku hana liburka bari ti konfur c'est ah ta drogue, la, <laughs> lecture. Je confirme. Bah, tu confirmes. Merci. Monsieur Amadji, je rappelle qu'il est encadreur, il est enseignant de philosophie. Euh, monsieur Amadji, un jeune aussi activiste qui est d'accord aux côtés de la jeunesse nigérienne. À chaque fois qu'on le sollicite, il est là. Alors, je suis aussi avec monsieur Issoufou. Issoufou, il est écrivain. Il est certainement passé par la lecture. Oh, Issoufou, qu'est-ce qui t'a amené dans l'écriture Explique-nous un peu l'importance de la lecture. Ah. Parce que certainement, ça a beaucoup impacté. Non, beaucoup. Ça t'a donné envie d'écrire. Et en très peu de temps. En très peu de temps Oui, oui. Ok, expliquons les choses sur cette émission. Euh, je commence par euh, là où j'ai commencé Ok. à lire, mhm. c'est en seconde. En seconde En seconde. Ok. Ouh. Mais de la seconde à maintenant, mhm. non seulement je ne peux pas dénombrer combien de livres j'ai lus, mhm. et je ne peux pas évaluer l'impact que ces livres-là ont eu sur moi. Seulement, c'est énorme. Ok. Maintenant, la lecture est devenue plus qu'une passion. Aujourd'hui, quand je suis trop fatigué, c'est à ce moment que je lis. C'est-à-dire, la lecture me permet aujourd'hui euh, de me décharger de tout ce qui est charge, sur le plan psychologique, sur le plan physique. En fait, quand je lis, tout ça là se dissipe rapidement, rapidement. Euh, maintenant, ça c'est côté physique. Maintenant, au-delà de ça, ce que j'ai réalisé dans ma propre vie, du fait de la lecture, ça c'est énorme. Et les gens qui sont autour de moi, il en témoigne. Ils ont vu les changements, en quoi j'ai changé, comment j'ai changé et le temps que j'ai mis pour changer. C'était trop rapide. Il a fallu une force pour t'amener à, commencer à lire en seconde ou bien c'est parti de toi-même. La seconde, c'était une obligation hmm. parce que c'était lié aux études. Hmm. Mais de là, j'ai découvert une autre voie. Au et ça t'a donné envie de oh, Au-delà de l'obligation, il y a eu la passion qui s'est ajoutée. Maintenant, je ne lis plus par obligation, mais par passion. On espère aussi que les jeunes qui écoutent cette émission, partant déjà de ce que tu viens à l'instant de dire, ils vont aussi s'intéresser à la lecture. oui, tout à fait. Pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime et cette semaine, nous recevons Gentil Bachir, le slammer. On le kiffe et tout de suite, la suite. Hey. Nigérien, Nigérien mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Et pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime une rubrique de l'émission Tous à la Fada consacrée à l'art et à ce qui le pratique Le slam, dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, c'est de cela qu'il s'agit avec un artiste slammer confirmé, qui a fait ses preuves, qui nous a émerveillés sur la scène et qui continue aussi à faire plaisir à travers des mots, des verbes, des rimes plaisir, je dis bien, à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, sur cette rubrique, mesdames et messieurs, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un artiste. Gentil, la machine de cette la bienvenue. Comment tu vas, tu pètes la forme Le monde part en vrille et les hommes vaguent en goût. Là dehors, les jeunes filles ne chantent plus les nuits. Les semeurs de terreur font saigner la joie que décrit des âmes en agonie. Des enfants perdant leurs parents et des mères enterrant leur progéniture. Dehors, ma terre gémit le chaos. Punir les coupables et les complices de ces actes ignobles. Et moi, sur cette émission, je peux t'arrêter à tout moment pour avoir la suite après. Gentil la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Ça fait plaisir la machine. Dis-moi que tu es en forme, s'il te plaît. Très en forme. Alors aujourd'hui sur cette émission, j'ai envie de te cuisiner un peu. Ça marche. Te cuisiner pour que les jeunes qui kiffent cette émission puissent, n'est-ce pas, découvrir ou redécouvrir l'artiste gentil. Ça fait plaisir. On commencerait par quoi Décortiquer gentil. À l'état civil, qui est gentil Gentil, à l'état civil, c'est Moussa Mohamed Gentil Mohamed Bachir. Basso Gentil. Yeah. Sur cette émission, la machine et les gens qui quittent cette émission ont envie de savoir quand est-ce que Gentil a commencé le slam au Niger. Alors Gentil au Niger a commencé le slam en 2012. Gentil a commencé en 2012. Évidemment. Super. Alors Gentil sur cette émission, tu vas nous parler de comment est-ce que tu vois le slam made in Niger. Alors, le Slam made in Niger va bien il se porte en merveille. Il faut dire que un moment, on ne connaissait que notre grand frère, John El Aujourd'hui, il y a de nouveaux talents. Des talents sont nés. Il y a énormément de pointures, si je peux l'appeler ainsi. Et parmi ces pointures, je pense que le Niger est représenté sur le plan international. Et le plan national, on n'en parle pas on voit aujourd'hui que la majorité des activités qui se passent ici à Niamey mhm. et même à l'intérieur, l'islam est toujours invité. Je dirais que l'islam va bien. L'islam va bien. Évidemment. Alors dis-moi, gentil, est-ce que tu te retrouves à travers ce genre musical, toi, en tant que jeune Alors, ce genre musical, je pense que c'est toute ma vie. C'est ta vie. C'est ma vie. Si je dis retrouver, c'est comme s'il y a une fraction en moi qui n'est pas d'accord. Ok. Alors pour moi, si je peux définir gentil, je dirais que gentil, c'est l'islam. Gentil, c'est l'islam. Parce que je me vois en miroir. Gentil, c'est l'islam au masculin au Niger. Yeah. Alors, nous sommes à la fin de cette première partie. Est-ce que gentil a un mot à l'endroit des jeunes qui kiffent cette émission pour soutenir les artistes slameurs au Niger, pour soutenir l'artiste in Niger. Alors le seul mot que j'ai à dire, c'est les artistes slameurs nigériens produisent énormément d'œuvres. Ok. Alors ces œuvres sont à la portée de tout un chacun. Ça veut dire sur Facebook, sur YouTube mhm. et sur euh, WhatsApp souvent. Mhm. Alors la demande que j'ai, c'est d'inviter les gens à partir, télécharger, écouter et partager les œuvres des artistes slameurs et aussi de tous les artistes du Niger. Neno, la machine et l'équipe technique prend congé de vous en ce qui concerne ce premier temple. C'était donc l'artiste s'exprime. L'émission continue. à Rendez-vous demain à partir de 17h45 même heure, même fréquence, pour parler du contenu de gentil, ce qu'il a déjà proposé, ce qu'il compte proposer. C'était donc À l'instant, c'était donc Bachir Gentil sur l'émission Tout la Fada. Cette émission, vous le savez déjà, hein, est consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes samedi, la version franco-aoussa avec la Miss Rim en principe. Aujourd'hui, c'est son ami, son frère qui présente l'émission. Donc en lieu et place, Wangasati Nado Rabi Yamekono. Rabi Dubungay Swad Fatah Le débat du jour est assez passionnant car ça parle de lecture ici place, et impact de la lecture en milieu jeune. Il s'agit de notre premier thème du jour pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Nous sommes samedi. Abordons la deuxième phase des questions avec nos invités. Est-ce qu'en général, les jeunes au Niger s'intéressent à la lecture en dehors du seul côté académique, livres scolaires et les ouvrages dits de recherche Si oui, qu'est-ce qu'ils lisent exactement, Coco de Kainichi parce que toi, tu es un peu partout. kana kuronik kana anu kana roman kana ko'ina eske anu kere ne jonci niger suna lire koko akwai wasu abubuwa da suke karanta sisi akwai abubuwa da yawa da yau matasa suke karanta sosai ah. lokacin nan sai ka ta cikin su bibliotek ka ta cikin samaria neman livir ko kuma abokinka ya sai ya ara maka yau duk babu wannan 2021 muke salula mutum da yawa suna da ita mutum da yawa suna bisa kan whatsapp et order c'est très facile mutane su tura mu juna livre en version électronique mm. gaskiya ne wanda ya rubuta yana gurbata cikin saidawa da abun ga mai inda ha mai rubutawa ya san da rubuta ne yake don a karantawa ba kuɗi ba ne yake tada mishi hankali ko wani abu mm. kenan ko wani ma ya amfana da livrikin da wani ya sai mutum biyu sun amfana da shi deja ya mm. ya zama society ta girma kenan kwarai mm. sosai yanzu kai abun da ce chronic da ka ce yi sai biskan abun ga facebook ka ce yi ko oui biskan facebook est-ce que kana da tu as des réactions ina da ina da retour sosai parce que en interaction par exemple jeunes suna interesse ga si si suna interesse. par exemple jiya da daddare zawa yau da sahi biskan statistique kina je vu akwai mutum misali dubu ashirin da ɗai jiya da daddare zawa yanzu da sahi mutum 21 da sun karanta abun da na sa jiya da daddare kenan sabidir ka ka <laughs> kusa zama majalisa cikin cikin abun ga ekriti eh, eh, exactement matasa na garuruwa da yawa da suke karantawa ba Niger kadai ba na duniya kowa da kowa saka gani on a la chance d'avoir un lecteur euh, donc avec nous cette émission bari bari tamako toi tu as lu quoi et quoi fa to amma dai da na sa kilga mm. na yi kaman littafi dari haka an daido littafin eske kana karanta kaman abun da ano da yake yake yake shi ya sani oh. shi ya sani ina karanta ah, ina karanta ano in bisa facebook quelle hmm. la difference antar kai leak in ano baram sur facebook da kai ka samu romancin a hannu to ni dai duka guda ne saboda hmm. ni in ina karanta karanta wani litahi ko ano ko article ni dai wanda nake so mine ina ina so in gane ci hmm. eh, abun da ke facilitate sai ke cikin tanga a duniya komai da ka kallo kana ya samu wani abu da kana ganewa kana sa cikin rayuwanka yana maka amfani amfani hmm. ko ano ko article ko livre duka da ina karanta ina ɗauke shi ni kawai ina ina ina nema menene ciki da ina ina da kara ka amfani in in hmm. utiliser et que ça marche d'accord donc, ina donc du coup à chaque fois mhm. quand tu lis eh bien évidemment tu as envie de te retrouver retrouver quelque chose dans le contenu par exemple de Babs Magaji mhm. c'est ce que tu veux dire effectivement donc mm. ba ni kadai ba saboda hmm. ni formateur ne ina yi conférence ina un peu enseignant ba enseignant mais ni ma enseignant ne saboda ina so in kuma in kai akwai un peu enseignant. ina so in in mutane une <laughs> version il est il est formel il est formel et enseignant donc j'espère que bas sur lecture un peu ils sont un peu élèves eh, Alors, monsieur Amagé, on va vous permettre de placer moi avant, bien évidemment, la pause musicale. Parce que vous êtes à l'école, vous avez euh, certainement votre méthode pour donc imposer la lecture euh, à vos élèves. Et cela fait partie du programme ou bien c'est une initiative propre venant de vous, de votre personne Ou bien partout euh, dans les établissements, c'est une exigence Ça fait partie du programme C'est un programme, de mouchik en français, de mouchik en philosophie, quoi texte aji aji, qui première, qui terminale. terminal, quoi aji agenda? a quoi document inda kamata a ce a karanta yanzu tana yiwa da na yi maganan nan ɗazun nan na haɗu wasu dokiman da na ce na bada ka tsaka diba dokiman ne ba banza ne aka bada su a falsafa mm. dokiman ne wanda za su sa ka je ka gano a cikin afirka su wane ne suka rubuta su wane ne manyan marubutu Allah ya sama mu ma na Niger muna da marubuta a wani lokaci sai dai mu karanta su wani Benin wani Burkina wani Togo me yanzu a nan Niger akwai Nigerian su mun kai sarki su Talibi mhm. su Halidu Yakuba da mhm. suka zo suka rubuta text na philosophy wanda ana iya sa su muke ganin ana iya sa su cikin program mhm. a ce ma yara su je su karanta su zo su hida muna menene wanga otar na afirka na nijar yake na yana hodi da mu bunƙasa lecture tunda su yara dibin suke kawai in an ce filozofi kawai ba a ta a samu nigerian filozofi in an ce filozofi ba a ta a samu dan afirka filozofi kawai sai dai wani can wani ba yahude ba yahudanci bane ba filozofi discipline ce mm-hmm. ka gani ko mm-hmm. in ka ɗauki literature duka discipline ce mm. kenan yau Allah ya sa a nan nijar dai gaskiya alhamdulillah de plus en plus ana ta samun écrivain guda guda suna ta rubutawa mu shi ma suna nan suna rubuta ni ma da kenan ina nan ina rubuta duk da dai test ta sha mini kai mhm. kinan ya to yanzu dole ne a sanya ni wani lokaci ba ina tunanin ina cewa ya kamata a ce minister de la renaissance culturelle a ce ko wani centre national de la lecture la ou par exemple c'est un dispositif qui va permettre da wanda yake taya lakol da wanda bai taya lakol yana zuwa yana karantawa mm. ana suivi ana ganin wani mutane nawa cikin french jeune mutane nawa ke lire wani mutane nawa ne ba su lire menene matsalolin daga wajen mushika ne daga wajen yaran ne a nemo matsalolin sai a ƙara bincika su mm. yanzu kaga program inga a cikin program a kowanne abubuwa duka <laughs> me sai zaman to wani bi mushika kawai mun gama ce mu zo mu ba yaro karatu a yara a wani lokaci su ma su kawo su in kana so su kawo su dole su je su karanta mm. in dole ne za su karanta dole ne su je su ga wani koleg mu da yake an sanyan macer kin wani waje su je su gani su ce mu mu ya bamu wanga time kuma ya ce wallahi mu yau da shashi ba wallahi zero zai bamu mm. kenan dole ne shi wance sai ya gidan su in ya mm. gidan su ce sai kun je kun karanto mm. in sai kun je kun karanto ya ce to ya zami makaranta sai ce in kun karanto in ba ku gane ba ku dawo ku gani ne sai muku explique sai ku je ku karanta ku yi mishi exposure kashin da ake yi to sai zaman to babu wannan abubuwan nan kware babu wannan dynamism din nan yanda mu a lokacin da mu aka yi forman mu mm-hmm. yanzu merci on va prendre une pause musicale sur cette émission monsieur Amager. partant déjà de ses propos alors Coco Story un son qui, donnera envie à nos amis jeunes qui écoutent cette émission de se retrouver et dire qu'ils vont foncer vers la lecture tu as une chanson à nous proposer sur cette émission ne haka zalika haka eh. <laughs> magaji Coco Story bari za mu tai mu saurare haka zalika na Shekara ta yi fudu haka zalika muka bada futa Allah ya rika alhaji ta ka kidin haka zalika ba ni son ko kaɗan sai a bandika da abin kallo goma a bani abin daɗi in sha zuma in sha madara hadda maganin zayi ma gaba dai gaba dai gaba dai kullum gaba dai gaba dai gaba dai ke ya ke ban bayan ma in ka kacin kancin cikancin rakacin kancin cikancin baka san mu mu ma haka zalika zaki kake haka zalika baki ba mu mu ma haka zalika ba mu baki ko da la sai dai ka kacin kancin à l'instant c'était donc Hakazalika de l'artiste Barakina Bawan Allah proposé bien évidemment par mon ami Coco Story sur l'émission Tous à la Fada, cette émission consacrée à la jeunesse nigérienne et justement c'est Hakazalika de Barakina qui va annoncer Mr Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la Fada Franco Aoussa on suit Olivier eh, et tout suite la suite. Destination à Arlita ce soir pour se remémorer une fin de mois unique à Arlit, le 31 mars 2021 n'est pas seulement une fin de mois, mais aussi la fin de l'extraction de l'uranium sur le site de la Cominac. 12 janvier 1974, 26 mars 2021, c'est la fin de plus de 40 ans d'histoire. Fermeture du site minier de la Cominac, quels commentaires circulent à ce propos sur les réseaux sociaux C'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Amis, auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir la Cominac a été fermée. Une fermeture qui a été marquée par le dernier tir de la dernière équipe d'abattage. C'était à 7h30 ce 26 mars 2021. Petit rappel, au total, 75 000 tonnes d'uranium ont été extraites du gisement. L'arrêt des activités minières avait été décidé par le conseil d'administration de la Cominac le 23 octobre 2019 en réponse à l'épuisement du gisement. Peut-on lire sur le site de l'Orano La Cominac ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Le réaménagement du site s'engage. Transition sociale, sociétale et environnementale durable. À tous ceux et celles qui ont écrit cette aventure, notre lien avec le Niger a toujours été fort et il le restera. A tweeté le groupe français Orano qui est en charge de la gestion de ce site minier. Eh bien, amis auditeurs et auditrices, au-delà du gain économique que représentait la Cominac pour l'État nigérien en général et à la ville d'Arlit en particulier, c'est toute une histoire qui s'est arrêtée ce 31 mars. Avec le grand gisement d'uranium de Cominac fermé ce jour à Arlit, une grande page de l'histoire de mine du Niger de 47 ans s'éteint. De cette histoire, il faudra bien faire le bilan en impact environnemental, radiation et radioactivité sur toute la population riveraine et minière, a tweeté Harry Koutale Tila Boulaman, un internaute. Eh bien, comme tout voyage, le train de la Cominac est arrivé à son terminus. Le reste ne sera que souvenir. Et une partie de l'histoire nigérienne est écrite à la sueur des travailleurs de la Cominac. Les souvenirs aussi peuvent être extériorisés, mais ça ne marche pas comme pour les rêves. On ne peut pas effacer les souvenirs pour la bonne raison qu'ils dépendent d'un événement qui s'est effectivement produit dans le monde réel. A tuité le compte de la Cominac lors de la fermeture du site minier. Eh bien, amis auditeurs et auditrices, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Comme on le dit souvent, la vie est un livre dont les pas se succèdent à travers les mois et les années. Si la fermeture de la Cominac est justifiée en majeure partie par des raisons économiques, il est important de se demander de quoi sera constituée l'économie de demain. Si le monde actuel ferme la porte aux stations minières pour des raisons de non-rentabilité ou écologique par exemple, de quoi sera composée l'économie du futur Rendez-vous dans la chronique de demain. À l'instant, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada présentée par Mr. Olivier. Nous sommes presque à la fin de l'émission, mes très chers invités. Je rappelle que nous sommes avec M. Hamadé Issa. Il est enseignant de philosophie. Nous sommes avec Amadou Ibrahim. Amadou Ibrahim, il est lecteur. Il est un jeune lecteur passionné de la lecture. Coco Story, il est écrivain. Vous le connaissez certainement. Nous sommes aussi avec Issoufou Aruna Seydou. Il est enseignant, enseignant par accident, je vous dis. <laughs> <laughs> écrivain aussi. <laughs> hey, buddy. Hey, hey, Non, oui, un exemple par accident. Hein. Eh, écoute, eh, Barry, toi, ne ris pas, hein, tu es un peu enseignant. <laughs> Donc, si, nous, avons, nous avons des enseignants, des un peu enseignants, un enseignant, des peu. <laughs> qui ont débarqué. Maka, ah, Barry Chedak, Eh, mon ami, je reviens vers toi, Issoufou, parce que nous sommes pratiquement, bien évidemment, à la fin de l'émission. Ok, cabinet KS. <laughs> Écoute, Issoufou, j'ai appris un jour que la lecture rendait plus intéressante. Mais un monsieur m'a aussi euh, dit euh, que la lecture rendrait plus cultivé au fait. Euh, vous arrivez à faire une différence entre euh, ces deux perceptions de la lecture euh, Je pense qu'il n'y a pas ce que la lecture ne peut pas faire. Mhm. La lecture peut vous rendre beaucoup plus fou même si vous voulez. <laughs> Donc en deux de cultiver ça la c'est beaucoup de voix qui sont. Oui, oui. Il y a beaucoup de... Pour être un grand bandit, on peut être un grand lecteur et avoir <laughs> vraiment ce statut-là. Donc vraiment, on peut faire tout avec la lecture. quoi. <laughs> ok. Aujourd'hui, en continuant à lire, je pense que que c'est beaucoup de choses qu'on va corriger. Sur le plan expression, sur le plan vocabulaire, parce que souvent ce qu'on donne comme sens au mot, dans notre jargon, souvent dans la réalité, c'est pas la même chose. Tout à fait, tout à fait. Ça, il faut, lire pour comprendre les choses. Découvrir et, et peut-être aussi découvrir là où il faut dire là ou là où il faut dire le. Le voilà. <laughs> non, non, moi, moi, moi, je vais vous raconter juste euh, quelques secondes mon, mon histoire. Mhm. J'ai travaillé dans une société où on parlait que anglais. Mm. J'ai fait deux ans là-bas. À la sortie de la société, j'ai confondu le le et le là. Bişir. Oui, oui. une ou Oui, oui, je dis le. Je sais pas, c'est la mouton, je vais dire, ou bien c'est le... la cabri, ou bien voilà. Donc, <laughs> il a fallu, euh, voilà, que je mette à lire, lire, lire pour pouvoir euh, corriger là. là dans la lecture. Monsieur Amagé, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Donc, du coup, c'est la fin. C'est la fin et chacun va nous donner son avis. L'essentiel, au fait, ou bien la finalité, ou l'objectif en question de cette émission, c'est permettre, euh, bien évidemment, aux jeunes du Niger qui écoutent cette émission à travers les 46 radios partenaires du studio Kalangou, d'avoir envie de lire. Alors, quels seraient vos mots de fin qui peuvent toucher ces jeunes euh. Chacun va placer une phrase. Je commencerai par Issoufou. Un mot pour amener les jeunes à la lecture. Moi, je dirais pour réussir, il faut lire. Tout simplement. Tout simplement. Babs Magaji. La lecture rend moins bête. Waouh. Eh, Bari. dis. Du abun da kake nema Et Hey yo, yo petit <laughs> enseignant. Eh. Maintenant, on va permettre à l'enseignant l'enseignant de placer ce mot, un mot pour amener le monde scolaire à la lecture. La lecture, la lecture, c'est mon seul premier ami. La lecture, la lecture, c'est mon seul premier ami. C'était donc la machine et les humains. Je ne sais pas si cette machine a lu ne serait-ce qu'un livre dans sa vie, mais pourquoi oui C'est le seul ami qui ne te trahit pas. La lecture. Oui, dans ce monde. Lui, c'est la lecture qui a fait ce que je suis devenu. Quand même, même actuellement, quand j'ai des problèmes, dès que j'ai il dit je me retrouve. Et même religieusement, il est dit de lire le Coran, Ikra. Ikra, ça commence Donc ça veut dire que mutanan mu, ƴan wom kanam mu, mata, kowa da kowa wanda ke karatun science, wanda ke karatun literature, ya kamata mu gane lecture, karatun littafi babban muhimmanci ne. In ka kara wani abu ka bata. Shiri ya kare ya mu ida wurtille tusa lafada. Hey.